C'est un jour triste pour le Sénégal. C'est un jour sombre pour la démocratie et la justice de notre pays. J'ai assisté à ce procès à côté de mon grand frère et ami Khalifa Ababa Kassal du début jusqu'à la fin. Et jamais durant ce procès, il n'a été prouvé sa culpabilité ni celle de ses codétenus. Ce procès est un procès politique. Et bien évidemment, le résultat est manifestement politique. Debout, avec les démocrates et les forces vives de la nation, nous allons nous battre pour les libertés, mais également pour la libération de Khalifa Ababakar Sall, qui n'a commis aucun délit. Le verdict de ce procès est la manifestation la plus hideuse de ce pouvoir aux abois qui ne cesse d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Trop, c'est trop. Debout, le peuple sénégalais défendra la démocratie défendra la liberté. Mais surtout, nous n'allons ménager aucun effort afin que le droit soit dit dans ce procès dont l'instrumentalisation systématique est manifeste. C'est la raison pour laquelle nous manifestons encore une fois notre solidarité, notre engagement à côté de l'honorable député Khalifa Baba Sall pour qu'ensemble avec le peuple sénégalais puisse triompher le droit, la démocratie et les libertés. ñëpp xam nañ ne procès bii nga xam ne nii moom la ñu dund te ñu participer ci bi mu commencé ba léegi li ñu gis mu leer mooy ñëpp xam nañ ne Khalifa deful dara Khalifa Sall ak ñi ma àndal defuñu dara li leen dal mooy dañu bëgg a éliminer adversaire politique pour mu bañ a bokk ci élection yi di ñëw loolu moo tax démocrate yëpp ak sénégalais daañu taxaw wax ni déet. ndaxte lii nga xam ne moo fi xew tey dafa wane ne Sénégal amul justice Sénégal amul liberté te gouvernement bi li mu bëgg a def kenn du ko nangu daañu taxaw xeex ak ñoom jàkkaarloo ak ñoom pour que Sénégal delluwaat fi nga xam ne ni fa la war a nekk mooy dëkku démocratie dëkku liberté ak dëkku teraanga